le forum du studio Calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Nous sommes euh, aujourd'hui vendredi 22 janvier 2021. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être euh, au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse euh, du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec euh, nos confrères du paysage médiatique nigérien. Aujourd'hui, nous parlerons tout d'abord du non-respect par certains partis politiques et certains candidats indépendants des dispositions de l'article 94 du Code électoral qui font obligation à enlever les supports et matériels de propagande électorale au plus tard 15 jours après les scrutins. Il sera ensuite question du retour de l'opposition politique au sein de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et de sa participation au processus électoral en cours. Rappelons que l'opposition politique était absente de cette commission électorale nationale indépendante CENI permanente depuis son installation. C'était en novembre 2017. Enfin, nous terminerons par l'investiture mercredi dernier du 46e président américain Joe Biden, une investiture qui s'est déroulée sans le président sortant Donald Trump qui s'est envolé un peu plus tôt pour la Floride. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Maimoun Gado, journaliste indépendante, Husseini Issa, journaliste indépendant également, et Elhaj Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter. À la modération de ce forum, Michel Deji. Parlons tout d'abord du non-respect par certains partis politiques et certains candidats indépendants des dispositions de l'article 94 du Code électoral qui font obligation à enlever les supports et matériels de propagande électorale au plus tard 15 jours après les scrutins. La Commission électorale nationale indépendante qui est chargée de veiller au strict respect de ces dispositions l'a rappelé le 12 janvier 2021 à travers un communiqué signé de son président Maître Issa dans lequel l'institution dit avoir constaté que ces dispositions ne sont pas respectées et avait invité à l'enlèvement sans délai des affiches fanions et autres supports de propagande politique restés toujours dans l'espace public. Maimoun Diado, pourquoi cet état de fait D'abord, euh, je tiens à présenter mes condoléances au studio Kalangu suite donc euh, d'ici ces comme on le dit, de notre confrère euh, Moussa Harouna. De notre collègue. Euh, collègue, confrère Moussa mhm. donc qui qu'il repose en paix, que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Voilà, donc revenons à l'article 94 du Code électoral. Mhm. l'article 94 du Code électoral suggère que à 15 jours, euh, c'est au-delà de 15 jours. Ça veut dire que les partis politiques devraient, en toute honnêteté, mhm. enlever les affiches, tout ce qui représente le parti politique dans les rues et tout. Maintenant, le constat qui se dégage, c'est que même avec l'interpellation de la CENI, vous avez vu qu'en circulant dans la ville, on constate que d'autres partis politiques, jusque-là, n'ont pas enlevé les affiches et autres. Donc ça veut dire quoi C'est une disposition qui est là, c'est une disposition euh, du code électoral. Mmh. Tout le monde devrait normalement, en principe, on n'a même pas besoin de revenir sur euh, l'article 94 pour dire à certains partis politiques ou bien aux partis politiques d'enlever ça. Mmh. Ça devrait être une réflexion euh, tout de suite après les élections, vous avez quand même 15 jours. Ça veut dire que 15 jours, c'est le délai. Le délai, qu'on vous donne pour pouvoir mmh. enlever ça. Et bon, constatant, certainement, que euh, ça n'a pas été appliqué, euh, c'est bien normal que la CENI sort pour euh, pouvoir interpeller ces partis politiques. Et je me dis que c'est vraiment une occasion aussi d'interpeller ces partis politiques au-delà donc de la CENI, au-delà donc des citoyens, lambda que nous sommes, que pour la visibilité même de certains axes, mm-hmm. il faut qu'ils s'y mettent, que ces partis politiques s'y mettent pour la lever. C'est une loi, il faut respecter la loi. Mm. ce que je pourrais dire, c'est à peu près ça. Mm. Et que euh, vraiment, euh, il faut également, comme l'a dit certains partis politiques, qu'il faut revoir également cette disposition. Parce que pour eux, s'il faut enlever, euh, pour le premier tour, il y a un second tour qui s'amène. Si par exemple, il faut enlever ces affiches 15 jours après mm. et revenir pour encore mettre. C'est vrai que de ce point de vue, la loi n'a pas été très précise. Parce que la loi dit qu'il faut enlever. Alors même qu'il y, y a un second tour, et il y a forcément deux personnes, deux, candidats, pour, le le second tour. Ils seront encore obligés de revenir encore remettre ces affiches-là. Bien sûr, mais cela n'a pas été précisé. Ça n'a pas été précisé dans la loi. Donc, mhm. ils ont demandé à revoir également cette loi pour permettre, pour voir comment est-ce qu'il faut faire du point de vue, donc, euh, pour permettre à ces deux candidats, même si c'est les autres mhm. candidats vont enlever ceux qui, ceux qui seront au second quand même de Bien sûr, elle a expliqué que ça devrait être un réflexe, euh, mais voilà qu'on le sait bien, euh, la loi n'a pas été très précise ou disons n'a pas tenu compte du second tour, puisque certains disent qu'ils vont dans tous les cas pour la présidentielle deuxième tour du 21 février prochain et que certains trouvent qu'il n'y a pas justement enlevé ces affiches fanion euh, qu'en pensez-vous de ce point de vue Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de respecter la loi euh, pour le moment mais Avant de commencer, je vais abonder dans le même sens que Maimouna. J'étais à présenter mes sincères condoléances à la famille du disparu, mhm. qui est un ami, qui est un frère. Ça ne date pas d'aujourd'hui, oui, bien sûr, qu'on est ensemble. Mhm. Et quand j'ai appris son décès, j'ai été vraiment surpris parce que la dernière fois, c'était quand je suis passé dans ce studio-là. On a causé un peu longuement que Dieu est son âme et qu'il la de son paradis éternel. Amen. C'est vrai, la semaine passée, à pareil moment, il était là, oui. oui bon, moi, c'était depuis l'autre semaine. On mhm. avait un peu causé sur la terrasse là. Mhm. Voilà. Maintenant, concernant euh, cette disposition-là, je veux dire quelque chose. C'est une disposition du code électoral qui dit qu'il faut enlever les affiches et autres. Quinze jours après, la tenue des scrutins. Hmm. le respect de la loi dans ce pays-là, c'est quoi Qui respecte véritablement la loi dans ce pays Quinze jours après, on dit, bon, vous devez enlever. Mais quand on dit enlever, on peut enlever les fanions et autres qui sont un peu accrochés dans les rues et autres. Hmm. Mais regardez par exemple comment on, on dégrade le rond comment on appelle ça Le rond justice là. Regardez mm. comment ça se passe. Et quand ça colle, je vois mal comment on peut dire à quelqu'un qui a mis les photos de son candidat ou ou, autre, qui c'est la colle. À moins de reprendre karma, on gratte tout. Ça veut dire que certains n'ont pas mis dans l'intention. Euh, non, mais le problème, ça ne dure pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a de mm. tout a été comme ça. Mm-hmm. Ça a de tout a été comme ça. Quand ça rentre là, ça va mettre du temps. Souvent, longtemps après les élections, on voit des morceaux de fanions qui sont accrochés à des poteaux et autres, longtemps après les élections. Mm. Maintenant, dis aux gens, allez enlever tout ce que vous avez mis. D'accord, pour ce qui est des, des, des, des banderoles et autres, c'est facile de les enlever. Mais tout ce qu'on a collé contre les poteaux électriques et autres là, est-ce que c'est faisable Ce n'est pas faisable. Il faut venir gratter à longueur de journée le poteau sur lequel on a mis tout ça là pour l'enlever. Mhm. C'est compliqué. Moi, je dis il faut revoir un peu les dispositions de cette loi-là. Surtout dans un contexte où ce n'est pas une élection au niveau présidentiel à un tour. Même les, les, élections législatives, parce que c'est couplé d'habitude, le premier tour est couplé au législatives. Comment on peut demander aux gens, au bout de 15 jours, il faut entrer dans tout là à l'intérieur du pays, partout où vous avez mis des fanons, où vous avez mis des, des, des, comment affiches, euh. des affiches et autres, il faut les enlever au bout de 15 jours. C'est quand même la loi. Non, non, non, mais la loi, s'il te plaît. On fait une loi pour qu'on l'applique, non Une loi doit être applicable. Mm-hmm. On sait bien, <coughs> les, les, les, comment veut dire, ce que les gens. C'est farfelu, c'est totalement farfelu. On sait ce que les gens utilisent quand il s'agit de la campagne, les gens, chacun va, il fabrique ce qu'il a fabriqué, on achète des boîtes de, de, colle, on donne à des enfants qui vont passer un peu partout pour mettre les machins, on, on leur donne quelque chose. Et on dit, bon, au bout de 15 jours, moi, je suis un candidat malheureux. Je n'ai rien gagné. Quelqu'un va m'obliger à aller enlever ce que j'ai mis là. Est-ce que c'est possible Je rumine ma douleur et quelqu'un va me dire au bout de 15 jours, je dois enlever. Si on doit dire à chacun d'aller enlever ici, on un point et, euh, euh, justice là. Mais ça va se retrouver où la circulation va même être bloquée. Voilà, moi je dis, il faut revoir un peu cette disposition-là. À moins qu'on dise aux gens, au niveau des infrastructures, édifices et autres publics, évitez, de mettre vos, vos posters et autres qui vont rester pendant peut-être un an, deux ans avant avec les, les intempéries. il, faut la, pluie pour pouvoir. La, pluie et autres, les autres mm. intempéries mmh. qui vont faire partir ça. Mais dit, oh, vous avez 15 jours. Mais il fallait interdire que les gens viennent afficher autour de rampoints, les rampoints, les machins, les, les, les échangeurs, les, échangeurs et autres. Imagine les, échangeurs ici, Katakola. Il faut aller enlever. Merci. On vous a bien compris. C'est difficile donc euh, d'appliquer ces dispositions de la loi. C'est ce que vous pensez. Elhaji Mohamedou Suleiman, c'est quand même la loi et c'est la CENI qui doit veiller au respect euh, de cette euh, loi du code euh, électoral. Que doit faire la CENI en pareille circonstance c'est la loi, mais on se rend compte à l'évidence de la difficulté d'appliquer la loi. c'est dire que c'est justement ça la société humaine. effectivement, le législateur, donc, quand on a conçu la loi, on va essayer de l'appliquer et c'est comme ça, il y a des révisions de, lois et de codes, tu vois. Donc cela veut dire que cette loi, véritablement, nécessairement, on doit revoir le code électoral. Sinon, la CENI doit maintenant trouver un mécanisme elle-même pour enlever, parce qu'il faut un travail de police, parce qu'en fait, le débat ici pose la question du civisme. Donc c'est dire que véritablement, soit on révise le code électoral, en tout cas la loi en ce qui concerne cette disposition, mhm. ou bien tout simplement la CENI maintenant, peut-être que dans les de les qu'elle prend, l'argent qu'elle prend au niveau des différents candidats aux élections, programmer maintenant, parce que comme l'a dit Ousseini, quand il est question de placer ces, ces, affiches-là, il y avait un fonds pour ça et les enfants sont motivés, ou bien les militants sont motivés pour aller les placer. Mais après les élections, le budget pour la, pour la campagne, il n'est plus là. Et comme l'a dit, il y a des candidats malheureux, vous voyez. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la motivation nécessaire pour aller enlever ces, ces, affiches et autres gadgets. Donc c'est dire que véritablement, euh, très simplement, euh, on, se rend compte à l'évidence que cette loi n'est pas réaliste et par conséquent, il faut trouver un mécanisme en tout cas réaliste euh, pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on on n'est pas à la première élection. moi, c'est la, la, première fois que j'ai vu, en tout cas, ce tapage-là. Il faut enlever les affiches. Parce qu'en réalité, c'est l'autre élément. Hmm. Les gens ont mis de l'argent cest vrai qu'inconsciemment que, euh, inconsciemment, cest vrai que les gens ont des difficultés à les, à lever, <laughs> et mettre dans les, dans poubelles ce qu'ils ont investi avec de l'argent. Mm. Donc, vous voyez un peu, c'est très difficile. qui ont euh, donc, euh, il va falloir franchement mm-hmm. être réaliste et la CENI doit régler ça, ou bien en tout cas, le législateur maintenant, l'Assemblée la, future, doit en tout cas revoir pour qu'on puisse maintenant euh, véritablement euh, faire une, une, loi, en tout cas au niveau du code euh, électoral, en tout cas une mesure vraiment que tout le monde pourrait accepter. Mhm. Parce que ça, comme on l'a dit, vous allez voir que l'année prochaine, certaines affiches des candidats, en tout cas, seront là. Donc ce n'est pas pour demain. Donc je pense qu'il faut donc, communiquer, sensibiliser. Peut-être que cette fois-ci, là, le débat est bien posé, en tout cas sur la, sur la table. Mhm. Donc on pourrait espérer qu'effectivement... effectivement prochainement, en tout cas, soit euh, la CENI donc, euh, des disposition elle-même euh, un travail de police, qu'on n'a pas à demander vos avis. Donc, juste après donc, le, délai de 15 jours, la CENI va procéder en tout cas en, en, commettant donc des, des, des, gens qui vont faire ce travail-là, qu'elle va me rémunérer. À ce moment-là, il n'y a pas de débat. Mm. Mais la question qui se pose, euh, là Mohamedou Suleiman, des personnes qui aspirent euh, à gouverner un pays avaient-elles euh, besoin d'un rappel au respect des dispositions de la loi pour s'y conformer Entre l'idéal et la réalité, il y a un fossé. Mm. Justement, c'est très simple de, de, mm-hmm. vous voyez ce que je, ce parce qu'ils sont candidats, on suppose même s'ils sont perdus on se rend compte que malgré le mm-hmm. tapage fait par la CENI, le premier ministre entier, c'est parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Mhm. Donc, euh, je pense que c'est, comme je l'ai dit, une question de civisme. Il faut donc espérer qu'un jour, il y aura des leaders ou bien des responsables des partis qui n'auraient pas besoin qu'on insiste pour qu'ils puissent le faire. Mais à l'État, c'est assez complexe, c'est assez compliqué. Donc, euh, je pense que rien à faire, euh, tout le monde a compris. En tout cas, c'est la loi qui n'est pas du tout réaliste de mon point de vue. Mhm comment faire euh, alors pour renforcer la culture euh, civique au sein des formations politiques au Niger afin de parer à de telles euh, situations Mais c'est de faire déjà les formations. Mais est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques créent les conditions pour former même les militants, pour les sensibiliser sur certaines choses Je ne pense pas, parce qu'on ne les voit pas, en tout cas dans ce sens. Il y a des partis politiques, on les voit seulement quand c'est la campagne politique. Mais il y a un fonds, il y a une subvention que l'État met à la disposition de ses partis politiques. C'est justement pour ces cas de figure. C'est pour sensibiliser les militants. C'est pour les amener, les, inculquer euh, le civisme. Mm-hmm. Mais s'il n'y a pas euh, de sensibilisation à leur niveau, comment est-ce que on pourrait sauvegarder certaines choses. Et le civisme aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, même à l'école, nous avons oublié c'est quoi le civisme. Ça s'apprenait avant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est impliqué Non, c'est vraiment la sensibilisation. C'est vraiment et, amener les, militants, les Nigériens que nous sommes, à dire que certains endroits, certains édifices, il faut les épargner. Par exemple, les ronds-points, par exemple, euh, les échangeurs. Mm. C'est des choses que vraiment euh, je ne vois pas l'intérêt de coller des affiches mhm. où il faut attendre un an, deux ans pour que la pluie fasse le travail à leur mhm. place. Ou bien tout simplement, il faut revoir le système de, de collage ou quoi là. Mhm. Euh, peut-être faire des papiers, faire sortir autre des, papiers qu'on peut adhésif, qu'on peut coller, qu'on peut enlever tout de suite, que de mettre la colle et puis de laisser. C'est comme si c'est un challenge euh, quand c'est un rond-point, il faut que tous les partis politiques ça amène à cet endroit pour coller. bien compris. Donc, les biens publics, les sont, sacrés. C'est la Constitution qui le dit. il faut bien les respecter. Et je me dis que mhm. c'est l'État, aujourd'hui, l'État doit voir euh, la subvention que l'État est en train de donner à ses partis politiques. Il faut les obliger, il faut obliger ces partis politiques à faire des sensibilisations quand même, à mhm. former les militants dans ce sens. Nissa, un mot pour tourner cette page oui, Pour tourner cette page, je vois bien Studio Caloré au rythme du Niger, Fondation Hirondelle. Le jour où vous voulez changer ça, vous n'avez pas besoin de gratter le mur, enlever la peinture, parce que tout simplement, c'est un vinyle. Vous l'enlevez, vous mettez autre chose. Quand vous allez dans les rangs, un peu partout au niveau des, des, avait dit, des, échangeurs et tout et tout, c'est du papier. déjà gens ont mis la colle, ils sont venus. Et c'était une course effrénée. Mhm. Chacun voulait fixer le maximum de photos de son candidat sur ces endroits-là. Mhm. Et ça s'est bien collé. Le soleil a tapé là-dessus. Enlever, ça veut dire aller gratter. Quand il s'agit de le faire, quand il s'agit de le faire, c'était facile. Parce qu'il y avait un peu de motivation au niveau des partis politiques. Chacun candidat, chaque candidat, chaque candidat voulait qu'on voit ses affiches un peu en ville. C'est un candidat, un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Comment voulez-vous que les gens, ils investissent encore de l'argent pour aller enlever ce qui a été mis voilà toute la difficulté. Il faut interdire, mhm. tout simplement au niveau de la campagne que les gens viennent afficher sur les édifices publics et autres, que les gens viennent. Et s'ils doivent le faire, il faut créer les conditions pour que ce soit dans des normes bien précises. Mhm. Ou quand ça finit, la personne peut récupérer, peut aller même déposer pour la prochaine campagne. Mais quand c'est du papier, on met colle, on met. Mais alors, euh, pour nettoyer, rond-point, comment ça s'appelle euh, Justice ou rond C'est un peu difficile, on vous a ah, compris euh, Il faut mettre de l'eau et de, l'essence même pour pouvoir enlever. Et on, détériore en plus. Ça veut dire qu'il fallait tout simplement penser à ça bien avant euh, voilà, voilà. Moi, les scrutins pour que les partis politiques et les candidats indépendants comprennent les ce qu'il y a lieu pratiquement, de faire. on a vu ce genre de choses. Ça met du temps avant de s'en aller. Merci beaucoup. Dans tous les cas, c'est la loi. Donc, euh, ceux qui sont chargés de l'application de ces dispositions de la loi sauront ce qu'il y a lieu de faire par rapport à, à ce sujet les auditeurs et téléspectateurs vous ont quand même suivi et ont compris vos différents avis. Abordons à présent la deuxième partie de ce forum de la presse, l'opposition politique absente de la Commission électorale nationale indépendante CENI, permanente depuis son installation en novembre 2017, a finalement rejoint cette institution pour euh, compléter le dispositif administratif et fonctionnel, a déclaré le président de la CENI. Le 19 euh, janvier dernier, les cinq euh, représentants des partis de l'opposition ont prêté serment devant les membres de la Cour d'appel à Niamey. dit, Mohamedou Suleiman, quelle est votre analyse de cette euh, décision de l'opposition politique nigérienne réunie au sein de la coalition pour l'alternance politique CAP 2021 de regagner sa place à la CENI ben, À mon avis, c'est une très bonne chose euh, dans la mesure où, euh, quand même, euh, l'opposition a sa place qu'elle aurait pu occuper depuis. Mhm. Mais compte tenu de certaines considérations au niveau de l'opposition, notamment le dialogue politique qui n'a pas marché, qui n'a pas marché parce qu'effectivement, il y a eu des tentatives de dialogue avortées. Euh, donc euh, l'opposition avait mis en avant le principe que euh, donc le code électoral, la CENI, tout ça, la mise en place n'est pas consensuelle finalement, euh, euh, c'est pas une, euh, euh, une occasion aussi. C'est une posture que l'opposition avait affichée en refusant d'aller à l'Assemblée nationale. Ils l'ont fait l'âme façon sur le tard. Ils sont l'Assemblée nationale. Donc, je dis vraiment d'un point de vue, franchement, du, je veux dire, au niveau donc, de l'intérêt général, ça rassure les Nigériens que l'opposition a regagné sa, place et ça, c'est son mérite. Mais ce que je pense euh, qui est un peu euh, peut-être regrettable, c'est le fait que euh, l'opposition n'a pas voulu le faire au moment où il était opportun, je veux dire. Euh, opportun parce que en ce moment-là, euh, comme dirait l'autre, les jeux sont déjà faits en termes, en tout cas, électoral. Il y a encore le deuxième tour parce que l'opposition dit quand même qu'il faut faire une coalition pour arriver à faire vaincre un des candidats. Il s'agit de Mahmoud Souman pour la coalition CAP 2021. Je, je sais de quoi je parle mm. parce que le travail à abattre a déjà été fait. Le, travail le plus important, c'est la, mise euh, la du fichier biométrique, mhm. tout le processus en réalité. Mhm. Donc nous sommes au stade terminal du processus électoral, en tout cas pour les élections de 2020-2021. Mhm. C'est un fait. Mais bon, je pense que c'est une très bonne chose, au moins quand même. Euh, et cela, peut-être, c'est une analyse qui a constaté que ils auraient été là, peut-être certaines choses n'auraient pas arrivé. Donc je pense que, à mon humble avis, euh, la leçon dans cette euh, affaire, c'est que il va falloir que les hommes politiques, tout par confondu, mettent en avant vraiment l'intérêt général, donc le dialogue, doivent accepter vraiment de s'entendre. Parce que tout ce qui est fait de façon consensuelle a le mérite de prévenir euh, les conflits. Bien sûr. De prévenir les... Tu vois quoi Parce que mhm. cela veut dire que si l'opposition était de dans, dans le, processus, peut-être que ce qui est arrivé comme allégation avec ces élections n'aurait pas euh, eu lieu. Donc, mhm. bref, je pense que euh, tout ce qui pourrait amener vraiment, en tout cas, rassurer les Nigériens que tout se passe bien, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter de l'arrivée, en tout cas, des membres de, l'opposition au niveau de la CENI. Il faut donc se féliciter euh, de, du fait que l'opposition a décidé de regagner sa place au sein de la CENI. C'est ce que pense euh, Elhaj Mohamedou Suleiman. Maïmoun Diado, qu'est-ce qui peut expliquer cette décision de l'opposition politique nigérienne d'occuper finalement ses sièges à la CENI après cette euh, longue période d'absence Bon, ce qui peut expliquer, je suis pas, c'est vrai, dans le secret de l'opposition, mhm. mais quand même, je vais donner une petite analyse par mhm. rapport à ça. Parce que quand vous regardez, euh, c'est vrai, l'opposition a boudé mhm. d'abord euh, la CENI en tant que telle, la composition même de la CENI. Parce que l'opposition s'est vue délaissée. Sur 13 sièges, l'opposition a constaté que les 10 sièges, euh, la majorité occuper les 10 sièges. Donc, ça, ça a freiné. En fait, ça, ils ont refusé, l'opposition a refusé de toutes les manières d'aller. Maintenant, en revenant avec euh, ces sièges, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont satisfaits. L'opposition est satisfaite de ces cinq sièges. Donc, les cinq sièges, et aujourd'hui, c'est le second tour. L'opposition a boudé, c'est vrai, euh, le processus électoral. L'opposition a boudé la CENI. Parce que l'opposition pensait ne pas être à la hauteur pour aller au second tour. Mm-hmm. Et aujourd'hui, constatant qu'un candidat de l'opposition, Maman Ousmane, est candidat pour le second tour, donc ça a donné une force à cette opposition mm-hmm. de regagner leur place. Regagner leur place pour pouvoir suivre de près la suite de ce processus électoral. Mmh. Donc je me dis que d'un côté, je me dis que c'est vraiment euh, à féliciter, parce que de l'autre côté, on sent déjà la calmie. Parce qu'une CENI qui retrouve aujourd'hui une partie, euh, une partie donc euh, de, de, son corps, mmh. parce que c'est une partie de son corps, parce qu'une CENI qui est dirigée uniquement par la majorité n'est pas aussi vu comme une sénie mhm. exemplaire. Mhm. Mais aujourd'hui, avec l'opposition qui a regagné la CENI. Donc c'est déjà la démocratie. Nous, on pense que on a tout à gagner. Et euh, vraiment, c'est la calmie que nous autres Nigériens, nous voulons. Mm. Et nous voulons également qu'il y ait la sérénité. Et c'est une continuité de la sérénité, justement. Mm. Parce que si vous vous rappelez, il y a eu vraiment des négociations, mm. des rapprochements, mais euh, ça a failli. Maintenant, c'est l'opposition elle-même qui décide par elle-même de regagner ses places. Donc je me dis que c'est c'est déjà un acquis, c'est déjà bon. C'est déjà bon pour la tranquillité. Donc, Démocratiquement, vous pensez que c'est salutaire euh, donc, euh, pour le pays Ousseï Nissa, quels sont les défis qui attendent euh, alors ces nouveaux membres de la CENI qui auront à représenter l'opposition politique au niveau de cette institution en charge de l'organisation des élections au Niger Bon, <coughs> Michel, <coughs> j'ai causé avec quelques-uns d'entre eux. J'ai posé la question, j'ai demandé mais vous êtes étrange quand même. Après avoir dit, vous ne reconnaissez pas une institution, vous ne reconnaissez pas l'autre institution aussi. Vous attendez que tout se déroule, pratiquement tout le processus, depuis, comment ça s'appelle, la, et, comment dire euh, l'établissement des pièces d'état civil mhm, mhm. à ceux qui n'en avaient pas depuis tout ça vous avez attendu et maintenant le dernier tournant vous dites ah ok on revient Maïmoun Diado a expliqué vous, selon elle, c'est parce qu'il y a second quoi Les cinq membres là, ils vont être au niveau de la CENI centrale, au niveau national. Ils ont dit qu'ils ont des représentants au niveau régional, au niveau local, ils ont des représentants. Hmm. moi, je me pose bien des questions. C'est bien. Au moins, ça crédite un peu, ça, ça crédibilise la CENI ça crédibilise également la Cour constitutionnelle parce qu'ils ont sorti même un livre blanc pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces deux. Ils vont aller aux élections, mais ils ne sont pas d'accord avec ces deux institutions. Mhm. Et voilà qu'à la dernière minute, vous décidez que bon, nous allons aller nous asseoir pour voir comment les choses se passent. À ce niveau, alors, est-ce qu'on peut parler à présent de la participation de l'opposition politique au processus électoral Vous avez parlé de la Cour constitutionnelle dans leur livre blanc, dans le livre blanc de l'opposition, ils ont dit que la, composition était véritablement. La page, est tournée. Mhm. Moi, pour moi, la page est tournée. On va à des élections. Il y a eu un premier tour. On a vu les résultats que ça a donné. Mhm. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec. Ce qui a été publié par la CENI, ils sont d'accord avec. Ils sont allés s'asseoir au niveau de la CENI centrale, ils sont d'accord. Mhm. Rappelons que les résultats euh, globaux définitifs vont te plaît, S'il te plaît, tu as vu en Afrique une fois où on, a, on va juste constater quelques anomalies, on va essayer de corriger et puis bon, c'est mhm. fini ça ne va pas changer grand-chose. Grand-chose. Mm. Non, il n'y aura pas grand-chose qui va changer. Juste quelques bureaux de vote qui vont être annulés, ça n'aura pas d'incidence véritable sur les résultats. Mm. Moi, je vais de ce principe-là. En observant un peu ce qui se passe partout en Afrique, en Afrique, en tout cas de manière générale, c'est comme ça que les choses, comme ça, les choses se passent. Maintenant, bon, il y a d'autres motivations souterraines. On ne sait pas il y a d'autres motivations souterraines. Mais je vais dire une chose. Il faut, quand on fait une lutte, il faut avoir la conviction de mener cette lutte de manière vraiment déterminée et résolue. Mais on ne mène pas une lutte pour mener une lutte. Malheureusement, on est dans une situation. Diado a expliqué que ces différentes étapes, il y a l'étape du second tour. Les différentes étapes, non. Moi, quand j'ai dit, je vais aux élections, mais je ne vais pas avec telle institution, telle institution, ce n'est pas avec ces institutions-là que je vais aller aux élections. Hmm. Mais on ira aux élections. Mhm. Alors, je vais me donner les moyens pour que les choses changent. Si je ne me donne pas les moyens, ça veut dire que je suis un fanfaron, mhm. quelque, part. Merci à vous. est-ce qu'on peut finalement parler de la participation à présent du, de l'opposition au processus électoral euh, Je voudrais d'abord préciser que euh, ce que Memouna a dit n'est pas exact. Au niveau de la CENI, en tout cas, euh, selon la version actuelle, en tout cas, de la composition de la CENI, euh, l'opposition a cinq représentants, euh, la majorité a cinq représentants. Oui, on pense que c'est euh, les autres. les autres n'ont pas de voix, n'ont pas de voix délibérative. Les autres n'ont pas de voix, mais l'opposition pense que c'est des gens de l'administration, c'est des gens qui. L'opposition, en fait, selon l'opposition, c'est que les cinq là, la majorité pense que c'est des voix neutres, mais c'est que selon l'opposition ce que c'est des voix qui, sont, en faveur de, la, majorité. C'est vrai, c'est discutable, mais c'est pour expliquer un peu ce qu'elle dit. Allez-y, elle euh, Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de débat à partir du moment où ils ont prêté serment et j'ai entendu, en tout cas, ils ont pris la parole euh, pour dire que véritablement, ils sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Mhm. Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas être plus réaliste que le roi. C'est une réflexion, donc une décision, je pense, euh, réfléchi par euh, l'opposition, même si par ailleurs, effectivement, les analystes euh, pensent que l'opposition n'a pas été constante mhm. dans ses déclarations, en tout cas dans sa posture. Mais ça, c'est autre chose. Nous sommes sur le terrain politique. Tout à l'heure, nous avons, par exemple, constaté que euh, une, loi n'est pas réaliste, effectivement, l'opposition peut avoir une posture, mais la réalité peut imposer une, autre conduite. Mhm. Et je pense que c'est cela, en réalité, elle n'a pas pu opposer un rapport de force qui puisse effectivement euh, l'amener à continuer dans sa posture. Donc, euh, je pense que le, le terrain politique, il n'y a pas de plus, en fait, réaliste. En fait, contrairement aux postures politiques, on dit dans un discours, vous voyez par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans, dans, dans un contexte d'alliance, mhm. mais il y a des choses qui, ne, qui, sont vraiment très curieuses. on a vu par exemple des révolutionnaires aujourd'hui qui ont pensé qu'a priori n'ont pas à attendre pour en tout cas prendre position. Mais le contexte politique fait que on ne décide pas a priori, on réfléchit avant de mhm. décider. Et c'est ça, effectivement, l'opposition avait pris une, une, une, une, posture irréaliste et à l'épreuve des faits, se rendre compte à l'évidence qu'en réalité, ne pas être au niveau de la CENI, ça les pénalise. Doublement. Parce que aussi, euh, ces représentants, mhm. après dix ans d'opposition, je pense que c'est aussi, euh, vraiment, je, suis gêné de, parler en ces termes, euh, être à la CENI, par exemple, des gens qui pendant dix ans qui sont là en train de trimer, au moins, de, ce, de, <laughs> quand, ils sont, à la CENI, ils ont quand même de quoi assurer le carburant. Donc, bref, c'est dire que véritablement, je pense que c'est une décision. Vous euh, pensez toujours que l'opposition aurait dû faire ça depuis longtemps. Merci beaucoup. Merci. Euh, on vous a bien compris par rapport à la composition de la CENI, c'est compris également. Les téléspectateurs, auditeurs euh, feront leur propre analyse de la <laughs> situation justement. Entamons à présent la dernière partie de ce forum consacré à l'investiture mercredi dernier du 46e président américain John Biden, une investiture qui s'est déroulée sans le président sortant Donald Trump qui s'est envolé un peu plus tôt pour la Floride, contrairement à la tradition américaine qui voudrait que euh, le président sortant et son épouse accueillent à la Maison-Blanche le nouveau couple présidentiel le matin de l'investiture et que tous euh, se rendent ensuite euh, au Capitole. Cette investiture présidentielle américaine marque ainsi la fin de quatre ans de présidence mouvementée de Donald Trump. Elhaj Mohamed Suleiman, que retenez-vous de cette investiture et comment cette arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden est accueillie par la communauté internationale euh, Je pense que en tout cas, à regarder euh, les médias euh, internationaux, effectivement, c'est un ouf de soulagement parce que, quand même, Trump euh, avait, en tout cas, brûlé les, règles même de la diplomatie internationale. avec Trump, le, le multilatéralisme avait pris un coup. Aujourd'hui, on pense que, parce que lui, pour lui, euh, Amérique en face. Donc, c'est l'Amérique avant tout. Et que, par exemple, il a posé des actes diplomatiques. Par exemple, il a, rompu euh, l'accord sur le climat. Il a retiré les États-Unis. Mhm. Et il a posé beaucoup d'actes, franchement, euh, qui ne rassurent pas le monde. Joe Biden a dit que justement la journée du 20 janvier était une journée d'espoir. Vous partagez donc euh, cet avis du nouvel euh, élu américain. C'est vrai, la communauté internationale, il faut préciser qu'il y a les alliés. Nous avons, par exemple, l'Union européenne, nous avons le Canada qui sont optimistes par rapport à Joe Biden. Nous avons de l'autre côté les rivaux de la première puissance mondiale tels euh, telles que la Russie l'Iran, qui sont sceptiques. Hussein Issa, à votre niveau, quels sont les grands défis, selon vous, qui attendent le nouveau locataire de la Maison-Blanche, Joe Biden Moi, je pense que <clears throat> Joe Biden, qui a été quand même euh, un démocrate, je crois que c'est un catholique ou il est. Catholique, bien sûr. Voilà. Il a de je pense que, je pense que, je pense que, c'est-à-dire, euh, Trump, c'est un incident de parcours de l'histoire politique américaine. Voilà, il avait l'argent, il a pu faire ce qu'il a pu faire pour accéder au pouvoir. Mhm. Il a voulu tout démanteler. Tout, ce que l'Amérique avait comme valeur essentielle, mhm. il avait tout démantelé. Et s'il avait eu ce deuxième mandat, il allait parvenir à le faire. Il a fait des lois comme ça, il a interdit à des pays, y compris africains, qui ne devait pas accéder au visa américain, des choses comme ça. Celui qui vient d'arriver, <laughs> il a déjà balayé tout ça. Dès de demain, il a tout balayé. Il a pris des décrits pour dire non. Mhm. Il abroge tout ce qui a été posé comme machin. C'est dire que ce monsieur, c'était un, incident de parcours de l'histoire parce qu'aux États-Unis, n'importe qui peut être président. En tout cas, une fois que vous êtes américain et tout et tout, il n'y a pas de raison à ce que vous ne soyez pas président. Mais je pense que il donne déjà l'exemple. Il donne déjà des éléments de preuve qu'il est venu pour établir la situation et, comme on avait dit, un peu mettre de l'ordre par rapport à ce que l'autre a eu à poser au cours de ces quatre dernières années. Le climat, il dit, c'est pas son affaire. Covid, c'est pas son affaire. Machin, immigration, il dit non, non, il faut mettre tout le monde dehors. Tous ceux qui ne sont pas américains, ils doivent quitter, ou qui ne sont pas de choses d'origine américaine, il faut quitter. Il a pu mobiliser, et Suleiman vient de le dire, le Capitole. Il a mobilisé ses partisans. il faut préciser que le Capitole, euh, c'est le bâtiment qui abrite. le euh, Capitole personnellement, je suis rentré. Non, c'est pour expliquer aux auditeurs, c'est là-bas qu'il y a le pouvoir législatif. C'est le symbole. C'est comme l'Assemblée nationale. C'est le symbole même de la démocratie américaine. Qu'il puisse mobiliser, a dit à ses militants, Socté, on se mobilise devant pour empêcher aux sénateurs de se réunir pour pouvoir confirmer l'élection de Joe Biden. Dernier acte en date qui le discrédite totalement, le fait de ne même pas accueillir un président qui était en place. Tu prends un avion avec ta femme et tout ce que tu avais comme bagage parce que tu ne voulais même pas le rencontrer et en menaçant que tu vas revenir par n'importe quel moyen. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas amener le coup d'État aux États-Unis, <laughs> qu'on connaît chez nous. C'est ça que ça signifie. Par n'importe quel moyen, tu vas. C'est la voie démocratique. Aux États-Unis, c'est la voie démocratique. Mais non, mais par n'importe quand tu dis par tous les moyens, par n'importe il va revenir. Mais ça signifie quoi C'est la voie démocratique, non Mais, mais va en guerre par rapport à quoi Merci beaucoup. C'est vrai, il faut rappeler donc euh, que Joe Biden, euh, le nouveau président, le 46e euh, président américain, a prêté serment mercredi dernier. Il a juré sur le livre saint de sa confession, la Bible, puisque comme Hussein Issa l'a dit, c'est un chrétien catholique. Il a juré de faire de son mieux pour respecter la Constitution américaine. Maïmoun Gado, qu'est-ce que l'Afrique en général et le Niger en particulier peuvent espérer de ce 46e président américain, Joe Biden bon, Ce que l'Afrique, ce que le Niger peut espérer avec la venue de Joe Biden, c'est vraiment de régler la situation sécuritaire, mhm. d'aider les pays sahéliens à mettre fin à cette situation. Euh, de revoir également peut-être euh, la coopération, bien que la coopération entre les États-Unis et le Niger soit en mhm. bon terme, de revoir certaines choses et également permettre aux Africains euh, d'aller euh, vers euh, ce pays. C'est-à-dire que la migration qui a été interdite par son Donald Trump, mhm. et il doit revoir également cela. Donc c'est vraiment. C'est vrai que lui-même, on, dit qu'il est un produit de la migration, lui-même Joe, Biden, Donc je pense que les problèmes déjà de l'Afrique, les problèmes non pas du Niger uniquement, mais de l'Afrique, mhm. déjà Joe Biden connaît tous ces problèmes-là. Donc maintenant, nous euh, supposons qu'il doit véritablement euh, s'atteler à euh, aider le peuple africain, à les aider comment À vraiment faire partir les, djihadistes et le terrorisme. Mhm du Sahel. C'est ça, en fait. Deuxièmement, il n'a qu'à aider également, pas l'Afrique seulement, mais même aux États-Unis, pour qu'on trouve le produit pour ceux qui est du Covid-19. Mmh. C'est ça. C'est l'actualité comme ça. c'est l'actualité comme ça. Rapidement, rapidement, uh-huh. rapidement, je vais dire. Et les produits, tous les blancs sont des produits de la migration aux, États-Unis. Tous les blancs, c'est l'Europe. C'est des gens en Europe, il y avait des machins, ils ont migré parce que c'était des Amérindiens. L'histoire des États-Unis, c'est une histoire de migration. Voilà. Bien sûr. Mais maintenant, mm-hmm. ce qu'il peut faire, il a déjà annoncé les couleurs. Parce que déjà, je crois qu'il a annoncé des gens d'origine africaine d'origine africaine, notamment deux Nigériens, dont un, je crois, une qui a été nommée trésorier adjointe au niveau de la banque. C'est elle. Et une deuxième, je ne sais pas, c'est un homme ou une femme. Elle, lui, c'est au niveau, comment avait dit, de la lutte contre le Covid, en tout cas conseiller au niveau de la Maison Blanche ça, c'est déjà un signe. C'est des, des, Noirs, c'est des Noirs, mais qui sont nés là-bas, qui sont des Américains, mais qui sont d'origine nigériane. Mhm. Le Nigeria, c'est en époque. Ça veut dire que il donne déjà un signal fort qu'il va composer avec l'Afrique. Et l'autre signal fort, c'est que sa vice-présidente, c'est quand mais même. qu'aux États-Unis, les Noirs font partie de la communauté des citoyens américains. Donc, naturellement, il doit travailler, il doit travailler avec tout le monde. Non, certainement qu'il va travailler avec tout le monde. Il n'a mhm. pas le même comportement parce qu'il y a deux catégories de citoyens aux États-Unis, quelque part. Mhm. C'est-à-dire, il y en a qui pensent que les autres, c'est des gens qui sont venus, qui ne sont pas voilà. Mais il y en a qui. En violation d'ailleurs Mais il y en a qui. il y a d'autres euh, catégories. Qui de leur confèrent la citoyenneté. L'autre a eu beaucoup de problèmes, mais éventuellement, mhm. également, comment il s'appelle euh, le président qui, qui que l'autre a remplacé. Mhm. Obama a eu beaucoup de problèmes à cause de sa peau et tout et tout. Il a eu beaucoup de problèmes avec Joe Biden était vice-président pendant justement la présidence de Obama. Nous sommes pratiquement à la fin de ce forum. Un mot en quelques secondes. Euh, je, voulais préciser qu'effectivement, Joe Biden a une longue expérience. Il a géré effectivement comme avec Obama. Le problème racial aux États-Unis, vraiment, c'est une réalité. on pense que par son parcours, Joe Biden Vraiment, il est bien sensibilisé, en tout cas, à faire face à cette situation. Vous voyez, aujourd'hui, par le fait de Trump, la violence s'est développée davantage et ça vient effectivement euh, euh, creuser, aggraver ce problème effectivement euh, racial. On pense que justement l'équipe de Joe Biden va effectivement relever ce défi, mais aussi, mais aussi effectivement, parce que la menace de Trump, en fait, will be back soon, on sera là tout euh, incessamment, Ce que véritablement il est encore populaire. C'est pourquoi les républicains ont voulu le bloquer, parce qu'il est parti avec un même euh, des gens euh, derrière lui. 114 millions, on dit, de, de, de, C'est vraiment un danger, en tout cas, qui, qui s'est échappé, en tout cas. Les Américains et la communauté internationale dans son ensemble, pour ne pas dire donc le monde entier, compte beaucoup donc euh, sur euh, ce président qui est le président de la première puissance mondiale, il ne faut pas l'oublier. C'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 22 janvier 2021. Nous étions en compagnie de Maïmoun Diado, journaliste euh, indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant également, et El Haji Mohamedou Souleyman du journal en ligne Niger Inter. Nous vous disons merci à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous chers euh, auditeurs euh, et téléspectateurs des 46 radios et des 6 télévisions partenaires de Studio Kalangou, grâce auxquels vous nous suivez. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, toujours samedi et dimanche, les forums en langue nationale Hausa et Zarma du studio Kalangu. C'était Michel Deji à la modération, Seini Isaka à la technique et Mustafa Yuba à la régie vidéo. Passez une excellente soirée et au revoir.